Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par 47 radios partenaires de l'ensemble du pays. Des programmes aussi disponibles sur notre site internet www.studiokalangu.org et notre page Facebook Studio Kalangu. Le thème du forum de ce soir porte sur la circulation routière. Comment prévenir les accidents de la route au Niger Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les accidents de la route ont causé en 2020 la mort d'un cinquante mille personnes et 50 millions de blessés à travers le monde. Au Niger, la situation des accidents de la route est préoccupante. Elle devient de plus en plus récurrente et constitue un véritable problème car il ne se passe un jour sans voir un accident de la route sans en entendre parler sur les médias et les réseaux sociaux. Dans un message adressé à l'occasion de la journée africaine de la circulation routière le 21 novembre dernier, le ministre des Transports souligne que il a été enregistré en 2020 quelques 7248 accidents corporels, dont 3625 blessés graves et 1405 morts auxquels s'ajoutent des victimes handicapées à vie et des dégâts matériels considérables. C'est donc pour faire face à ce phénomène que l'État a pris plusieurs engagements qui se traduisent entre autres par l'interdiction du téléphone au volant, la réactualisation du Code de la route qui date de 1960, la création du service d'aide médicale d'urgence SAMU et bien d'autres actions. Malgré cela, on continue toujours à enregistrer des cas d'accidents de la route. Alors, euh, qu'est-ce qui explique la récurrence des accidents de la route au Niger Quels sont les impacts socio-économiques des accidents de la route Comment prévenir les accidents de la route au Niger Et comment assurer une bonne sécurité routière pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Rahila Mamadou Zakari, service d'aide médicale d'urgence Sami. Bonsoir Dr Rahila. Oui, bonsoir. Monsieur Bagoudou Shekaro, directeur de la promotion de la sécurité routière, de la prévention, de la formation et de la communication à l'Agence nigérienne de sécurité routière. Bonsoir, Monsieur Bagoudou. Oui, bonsoir. Et Amadou Aboubakar, membre de l'ONG Fondé Mabori. Bonsoir, Monsieur Amadou. Bonsoir. À la présentation, je suis Fatih Zakari. L'accident est un événement malheureux qui entraîne des dommages. Le Niger est classé parmi les pays qui enregistrent le plus d'accidents de circulation routière. Donc, il est enregistré dans les grandes villes que sur les routes nationales. Bagoudou directeur de la promotion de la sécurité routière, de la prévention, de la formation et de la communication à l'agence nigérienne de la circulation routière à Niger. À l'heure actuelle, comment se présente la situation des accidents de la route au Niger Merci, euh, Madame Fati. Euh, Fatih. Donc nous allons d'abord euh, commencer par définir l'accident de la route mhm. comme étant un choc produit par un véhicule et qui engendre des dégâts corporels ou euh, matériel Et dont les causes sont le mauvais comportement mhm. des usagers de la route, ça peut être le conducteur, ça peut être le piéton, mhm. ça peut être la divagation des animaux, les mauvais états du véhicule, comme euh, le système de freinage, mhm. comme le système d'éclairage, comme le système de direction. Et le mauvais état de la route, par exemple la fréquence des nids de poules, l'absence de passage piéton, les poussières qui sont soulevées sur les routes rurales, mhm. ainsi de suite, ainsi que des situations climatiques ou environnementales, mhm. par exemple le vent et la pluie. Donc, sur cette base, nous pouvons dire que l'accident de la route est évitable, mhm. parce qu'on connaît les causes. Et là, vous avez effectivement euh, présenté une situation qui est alarmante, effectivement. Parce que si on se réfère entre 2019 et 2020, on a déjà une progression de 10% des accidents corporels. Si je vais aux chiffres que vous avez donnés sur les tués, nous avons plus de 50% de progression du nombre de tués entre 2019, et 2020. On n'a pas encore les statistiques de 2021. Mm-hmm. Nous sommes en train de les compiler et donc ça pourrait être disponible peut-être dans un trimestre. Mais déjà, c'est une référence qui dit que les accidents de la route sont en train d'augmenter chaque année. Euh, le dernier rapport de l'OMS mm-hmm. classe notre pays déjà au 21e rang sur 34 pays qui sont classés en Afrique. Donc c'est vraiment une situation euh, qui doit nous interpeller tous. Mhm. Docteur euh, Rahila Mamadou euh, Zakaria, vous êtes donc au service d'aide médicale d'urgence SAMU. Les accidents de la route progressent chaque année dans notre pays avec une augmentation de 10%, comme venait donc de le dire Monsieur Bagoudou de l'Agence nigérienne de sécurité routière. Alors, qu'est-ce qui explique la progression du taux des accidents enregistrés chaque année au Niger Alors, bonjour, madame. Je vous remercie de m'avoir invité dans votre studio. Bon, effectivement, pour expliquer cette, cette situation, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut voir. Dans les facteurs, c'est surtout celui qui conduit. Mhm. Les 60% des cas, c'est lui qui est en jeu, celui qui a créé l'accident, c'est surtout celui qui conduit. Mhm. Dans 60% des cas, c'est souvent dû à son humeur. Il était pressé, il y a des choses qu'il avait à faire qu'il n'a pas pu faire la veille, il est tout. Il y a tout ça qu'il faut voir. Maintenant, il y a l'état aussi de la route et il y a les usagers. Vous savez que les usagers aussi, ceux qui traversent la route, c'est des facteurs qu'il faut vérifier. Mhm. Donc, c'est pas facile et on ne peut pas tout contrôler. Mhm. Maintenant, il faut mettre l'action sur la prévention. Amadou Aboubakar, ONG Fondé Mabori, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la progression du taux des accidents en de la route au Niger Bonjour, et je profite de l'occasion pour remercier le studio Kalangou mhm. de nous offrir ses portes pour que nous puissions venir, comme nous l'avons toujours fait sur les médias, la mhm. sensibilisation et les actions communes sensibilisées les gens à travers des actions aussi sur la sécurité routière mhm. parce que aujourd'hui ça cause ça tue plus que beaucoup de maladies. Il mhm. ne se passe pas un jour à Niamey en tout cas ou bien au Niger ou bien quand on parle généralement dans le monde mhm. sans qu'on ne parle d'accidents et des graves accidents qui engendrent des morts, qui fait des familles endeuillées et c'est désolant l'accident de la route n'est pas une fatalité. Donc, euh, c'est des choses sur lesquelles on peut agir et avoir des satisfactions. C'est lié à beaucoup de facteurs, comme tout le monde l'a dit. Par exemple, des facteurs principalement sur quoi nous, on peut jouer. Mhm. Et quand vous prenez la limitation, la vitesse, ce que nous voyons à Niamey, c'est pas aisé qu'une mhm. route qui est balisée, c'est-à-dire quand la route elle est balisée, mhm. La route te dit ses normes, les normes sur lesquelles tu peux même, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, circuler, mhm. que ça soit à 30 km, à 50 km, la route tu dis ça, la route te parle, tu violes ça. Et aujourd'hui aussi, principalement sur les jeunes sont les plus touchés. Parce que quand nous allons parler, on va beaucoup ça vient sur les jeunes. Mhm. Et ces jeunes, souvent, vous les voyez, c'est vraiment un état, pas en état normal qu'ils vont prendre les, en mm-hmm. état voilà, mm-hmm. en état d'ivresse ou bien en des situations que vous savez que l'enfant là, quand il va prendre la moto ou bien quand il mm-hmm. va prendre la voiture, c'est pas pour ne pas, il, pas il ne va pas être prudent. Ça, c'est un facteur. Il y a un autre facteur aussi. Les gens ne sont pas autorisés à prendre, par exemple, un véhicule ou bien une moto dont ça peut aller jusqu'à 150, voire oui au-delà de 50, il te faut une autorisation, mhm. c'est-à-dire un permis de conduire. Parce que quand vous êtes sur la route, la route te parle. Ici, à tel niveau, il y a un cassis qui va. Donc, si tu comprends pas ce langage, c'est normal à ah, ce que <laughs> Et on enregistre ça beaucoup plus lors des mariages. Mhm. Aujourd'hui, euh, les phénomènes de mariage ou quand les gens font l'escorte et autres là, tout ça là, ce sont des choses sur lesquelles on peut jouer. On ne peut pas interdire ça, mais il faut jouer pour amoindrir les, choses. Il y a beaucoup de facteurs sur lesquels si on peut jouer, donc on applique la loi comme ça se doit et vraiment on peut avoir gain de cause. Mhm. Oui, oui. Monsieur Bagoudou, aujourd'hui, quelles sont les régions du pays les plus concernées par ce phénomène Bon, euh, donc euh, euh, je suis d'avis avec le représentant de l'ONG Fondé Mobori pour que mhm. dire qu'effectivement c'est la jeunesse qui est la plus impliquée mhm. dans, les, accidents. Parce que selon les informations, les données, données statistiques que nous avons, à peu près 60% des victimes sont, des, jeunes. Des jeunes, et, c'est ça les conséquences de mm-hmm. ce que nous appelons le syndrome de la, de la jeunesse. Il fait que le jeune aime prendre beaucoup de risques. Donc, euh, au niveau du comportement mm-hmm. donc euh, déviant dans la circulation, effectivement, c'est ça qui est la plupart euh, la cause des accidents. Donc ça se manifeste par un non-respect des dispositions du code de la route. Donc, je vais en venir au niveau de euh, euh, la répartition spatiale des mhm. accidents de circulation. Ça va du soir. Mhm. Niamey est en tête. Parce que euh, l'une des raisons, c'est que les accidents sont en corrélation avec le, niveau du parc. Mhm. vous voyez, donc Niamey a un parc considérable par rapport aux autres régions. Et c'est ça qui explique que, en grande partie, que les accidents sont plus nombreux à Niamey. Mais l'autre réconfort, c'est que ils sont moins graves ils sont moins graves par rapport aux, aux, accidents qui mhm. viennent à RAS campagne. Et donc, euh, nous avons à peu près 64% des accidents qui viennent à Niamey. Et maintenant, les autres régions suivent, notamment par exemple Maradi, qui est en deuxième position, mhm. avec euh, à peu près 9% des accidents. Vous avez Zender, avec 7% des accidents. Ensuite, euh, Tawa, 6,5%. Euh, et demi. vous avez Dosso, 5,5%. Et, demi. et vous avez Agadez, 5%. Vous avez Tilaberi, 2%. Et enfin, Difa, c'est négligeable, 0,5%. Voilà un peu la répartition euh, euh, géographique, spatiale des accidents de, la route dans notre pays. <laughs> Docteur Rahila Mamadou Zakari, vous êtes donc euh, au service d'aide médicale d'urgence SAMU. La capitale Niamey bat le record triste donc <laughs> en termes d'accidents de la route. Alors, quels sont donc les objectifs visés par votre structure face donc aux accidents routiers Oui, en fait, le SAMU, faut vous rappeler d'abord, mm. c'est l'écoute des alertes. 7 mm-hmm. jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, à part l'écoute, nous avons la couverture des grands événements, tous les événements sportifs mm-hmm. et toutes les conférences, que ce soit nationales ou internationales. Nous intervenons aussi pour les transferts médicalisés, les évacuations sanitaires, bien sûr. Maintenant, il y a aussi l'aspect préventif. Et mm-hmm. dans l'aspect préventif, nous formons aussi beaucoup en secourisme. La formation de secourisme à tous les niveaux, que ce soit les scolaires, les routiers, les, les, les transporteurs en commun et tout ça. Et aussi, nous faisons, à part le secourisme, dans les actions de prévention, mhm. il y a ce qu'on fait maintenant actuellement. On fait beaucoup de forums à travers les, les médias audiovisuels mhm. et tout. Donc, nous sensibilisons la population. C'est mhm. très important que les gens soient informés que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Mhm. Parce que quand les gens font des choses et que personne ne leur rappelle à l'ordre, là, c'est pas bien. Mhm. Dans les actions menées, nous, on aimerait qu'il y ait des sanctions. Mhm. Quand, quand un accident est très grave, que ça soit, euh, je ne parle pas du, oui, ça peut aller jusqu'au retrait du permis, mais au moins qu'il y ait des sanctions, que les gens sachent que après un tel accident, tu peux pas continuer à conduire comme tu le fais, il faut qu'on te rappelle à l'ordre. Mhm. Et je pense que à ce niveau-là, il y a des actions qui sont en train d'être menées. Et plus tard, on aimerait aussi que avant qu'on ait son permis, il faut qu'on ait des notions en secourisme parce que dans les grandes agglomérations, mhm. je veux dire les pays assez développés, à partir du primaire, Hein? il y a déjà le cours de secourisme qui est introduit. Or, nous, c'est, c'est pas à tous les niveaux. Mm-hmm. C'est, des formations qu'on essaie de faire à tous les niveaux. On voyage à travers le pays, dans les régions aussi, mais c'est pas assez. On aimerait vraiment que avant, qu'on t'attribue ton permis, si possible, que tu aies des notions en secourisme mm-hmm. pour que cas, en cas des cas, que tu saches comment réagir. Mm-hmm. Parce que c'est ça, les, les cinq premières minutes, c'est les plus importantes. C'est ce qu'on veut pour diminuer l'impact des accidents vraiment. L'ONG Fondembori, quels sont les objectifs visés à travers votre ONG Fondembori Oui, nous, depuis la création de l'ONG, donc il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, dont je peux vous citer entre autres certains. Par exemple, les, au niveau des scolaires, mhm. nous, on avait beaucoup agi là-bas au niveau des scolaires parce que mhm. c'est la jeunesse. Là-bas, on trouve la jeunesse. Mhm. on avait formé dans 10 établissements de la capitale. Mhm. Donc on prend 10 euh, élèves ou bien 20 élèves que nous allons former sur la sécurité routière. On les dote des moyens pour que eux puissent, ils puissent aussi toucher leur père parce que ce sont, on les appelle les pères éducateurs. Et après leur tour, eux aussi, ils vont agir, ils vont sensibiliser leurs camarades. Donc ça, c'est une action que nous avons eu à mener. Et il y a des actions que nous menons aussi sur la sur la voie. Mhm. Donc, on explique aux gens, par exemple, les passages piétons. Les gens ne savent même pas à quoi ça sert. Et il faut respecter ça. Les passages piétons, toi, le véhiculé, quand tu viens, tu sais comment tu vas faire pour que les gens... Tu, donnes la priorité à ces gens. Mhm. Les gens ont la priorité là-bas pour passer. Mhm. Et nous avons mené aussi des actions parce que nous avons créé une page Facebook. À part ça, on est même parti jusqu'à faire la sécurité routière appliqué à la technologie. Donc, euh, c'est quoi C'est l'usage que les gens vont faire de leur portable. Que ça soit vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur WhatsApp. Mhm. Ce que tu vas véhiculer, il faut que ça soit quelque chose qui, va éduquer aussi dans le sens de la sécurité routière. Mhm. Nous avons eu à agir en créant des clubs de sécurité routière mhm. dans des différents établissements. Parce que quand je prends euh, l'Alla Malika, l'actuel Lalla Malika, à l'époque, c'était CG2. Mhm. Et École Canada, on a eu à créer des, des clubs de sécurité routière mhm. où il y a un président, il y a tous ceux qui suivent le, bureau. À chaque descente, comme c'est des heures de, c'est des heures de pointe souvent, mhm. et c'est une voie qui est beaucoup plus pratiquée. Donc, il y a des incidents qui se font là-bas. Pour amondir les choses, il faut créer un club de sécurité routière, les doter des moyens à la descente. Entre eux, ils vont faire en sorte que il puisse passer sans qu'il y ait des accidents. Parce que c'est à des heures-là que nous avons enregistré qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'accidents. Ça, c'est une action que nous avons eu à, amener. On a eu à faire des actions où on donne aux véhiculés les, les photocollants, les photos, les réfléchisseurs, les agents réfléchisseurs, on les appelle. Donc, vous allez coller ça à votre voiture. La mhm. nuit, quand vous êtes euh, dans votre voiture, même si vous n'avez pas de, de, veilleuse ou bien de phare, derrière sa personne qui est derrière ou bien de derrière vous, il mhm. voit le reflet, mhm. il sait qu'il y a quelque chose, je dois faire prêter attention, il y a quelque chose. Il y a les, gilets aussi que nous avons l'habitude de distribuer. Mhm. On a eu à sensibiliser les gens de les, les Faba et les, taximans. Donc ça aussi, on a eu à les former à amener ces gens à comprendre que dans la circulation même, il faut mhm. être patient, il faut être tolérant. Certaines formes de violence, il faut que les gens les dépassent. Donc voici ce que nous avons eu à, grosso modo, à faire comme des, des actions. Mhm. oui. Bagoudou Shekaro, directeur de la promotion de la sécurité routière, de la prévention, de la formation et de la communication à l'agence nigérienne de la circulation routière à Niger. Pourquoi donc euh, l'État a pris cette initiative de créer la et qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation euh, L'État euh, a créé la pour faire face à la situation d'insécurité routière. Mhm. Euh, c'est une euh, recommandation de euh, l'UMOA qui a fait une, qui a adopté une directive dans ce sens et qui a demandé à ce que chaque État puisse créer un organe directeur, un organe chef de file en matière de sécurité routière. Mm. Donc nous avons satisfait à cette obligation en 2014 à, à travers le code de la route, mm-hmm. le code de la route qui a été adopté par loi. C'est ça qui a été euh, à la base. Donc la Niger qui est un NEPA, donc euh, un établissement public à carte administratif qui est euh, sous la tutelle du ministère des Transports, mhm. qui a pour mission de promouvoir, coordonner et suivre les actions et programmes de prévention et de sensibilisation en matière de sécurité routière en vue de réduire la fréquence et la gravité des accidents de la route. Mhm. Elle a donc pour objectif de lutter contre les accidents de la route conformément à la déclaration de politique générale euh, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mhm. qui demande euh, de réduire euh, de 25% les accidents entre 2021 mhm. et 2025. Mhm. Au titre des activités, des actions, que nous avons menées, il y a eu des sensibilisations qui ont été menées sur euh, les accidents de circulation, mhm. notamment euh, au niveau rural, parce mhm. que il y a des projets qui construisent des voies, des, routes rurales, mais la population n'a pas toujours la connaissance mhm. des règles de circulation. Donc nous avons intervenu dans à peu près 117 euh, villages, en tout cas l'année passée, au cours de 2021. Et à peu près, nous avons touché plus de 30 000 personnes. Donc là, c'est vraiment la population rurale euh, qui est ciblé. Mhm. Donc, en fait, nous, nous agissons par cible. Donc, euh, euh, ensuite, il y a eu des sensibilisations que nous avons, j'allais même dire des formations mhm. qui ont été menées à l'endroit des pères éducateurs, comme il l'a souligné, des, qui sont les chauffeurs de taxi. Mhm. Et en même temps, nous avons participé à la sensibilisation des chauffeurs de taxi et de Fabou Faba dans, la, la, ville de Niamey. Donc, à peu près Mm. On estime à peu près à plus de 1700 euh, euh, chauffeurs de taxi et de fabriques qui ont été touchés. Il y a eu euh, d'autres actions qui ont été menées, par exemple le renforcement des capacités de certains centres de formation, et de certaines écoles, mhm. par exemple les écoles de la police, les écoles de la, de la gendarmerie, et, les centres de formation dans le secteur de transport. Donc pour un peu leur donner mhm. eh, un encadrement utile en matière de sécurité routière. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que qu'il y ait une culture, en fait, le développement d'une culture de la sécurité routière à tous les niveaux. Et ensuite, euh, pratiquement depuis deux ans, nous parcourons les routes au niveau de, du pour voir un peu euh, l'état, l'état de, notamment en termes de dégradation, et en termes d'équipement et de signalisation. Bagoudou reste toujours avec nous euh, pour entamer donc la deuxième partie euh, du forum consacré aux conséquences liées aux accidents de la route. Bagoudou Shekaro euh, existe-t-il des tests juridiques qui réglementent la circulation routière au Niger Oui, nous avons effectivement des textes. Mhm. D'abord au niveau international. Donc le cadre a déjà été tracé depuis 1949 euh, à travers euh, ce qu'on appelle la Convention de Genève de 1949 et la deuxième Convention de Vienne de 1968. Donc c'est ce cadre-là qui réglemente la signalisation, la circulation au niveau mondiale. Mhm. Et là, sur cette base, euh, le Niger a eu à adopter un code de la route en 1963. Mhm. Mhm. Donc c'est ce code de la route qui était en vigueur jusqu'en 2014 où il y a eu un nouveau code de la route. Et il y a une loi suivie d'un décret d'application. Donc c'est ça qui balise euh, euh, la circulation au niveau de euh, du pays. Là, euh, si je prends par exemple le code de la route de 2014, il a au niveau de la loi 88 articles et au niveau du, décret d'application, il a jusqu'à 315 articles. Mhm. Et ces, ces, différents articles précisent les conditions euh, d'utilisation de la voie publique, mhm. les, les, règles de circulation routière, les nombres des véhicules utilisant la voie publique, les maladies qui sont incompatibles pour la conduite mhm. automobile et les sanctions. Donc c'est ce code-là qui le précise. Mhm. Et ce code s'applique à, tous les véhicules, mhm. donc d'abord les véhicules à moteur et même non motorisés. Et il s'applique aussi à tous les usagers par exemple le conducteur de véhicule, le passager, le piéton, les conducteurs des animaux et qui utilisent la voie publique. Et normalement, tout celui qui doit conduire, utiliser la voie publique doit connaître mais qui mhm. connaissent les dispositions de ce code là mhm. ce qui n'est pas toujours le cas. Et au vu du nombre croissant des accidents enregistrés ces dernières années, peut-on dire que ces textes ne sont pas à 100% appliqués <laughs> ici au Niger Bon, vous savez, il y a la réglementation qui est prise pour prévenir, mais il y a parfois la mise en application de cette réglementation mhm. qui peut euh, rencontrer des entorses. Et c'est ça qui fait la, la, complexité un peu de la sécurité routière. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs intervenants. C'est ça qu'on appelle une approche multisectorielle de la sécurité routière. Donc il y a plusieurs secteurs qui sont censés intervenir dans la sécurité routière. Si je prends par exemple le ministère des Transports, euh, c'est lui qui élabore la réglementation. Si, je prends par exemple le ministère de l'équipement, mhm. c'est lui qui construit les routes. Si je prends par exemple le ministère de la santé, mhm. c'est lui qui soigne, qui apporte le secours, les accidentés, ainsi de suite. Le, ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie sont là. ouais les assureurs, tout ça, ils sont là. Tout le monde doit en principe contribuer à faire en sorte. C'est ça qui fait que c'est un peu complexe. Mhm. Ce qui fait que parfois au niveau de la coordination, ça peut poser des problèmes. Mais je vous ai dit que l'État a fixé comme objectif de réduire de 25% ces accidents-là. D'ici, d'ici, en tout cas 2025. Et nous pensons que l'État va mettre les moyens pour le faire. Parce que pour faire des actions de prévention, il faut des moyens. pour faire des actions de sensibilisation, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il faut des moyens. Ça coûte. Docteur Aïla, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Bagoudou relativement donc au respect des tests qui réglementent la circulation routière Pour le respect des réglementations, il mm. faut d'abord connaître le code de la route. Mm-hmm. Tant qu'on ne connaît pas le code de la route, on ne peut pas être réglementé euh, ou suivre ce que la route, comme il dit, la route qui parle, il faut savoir ce qu'elle est en train de nous dire mm-hmm. pour poursuivre. Donc là, vraiment, il faut vraiment agir sur les jeunes. Il y a beaucoup d'émissions qui donnent accès au code de la route, on explique quand vous voyez tel panneau, voilà ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'émissions télé maintenant qui se font tout au long de la semaine pour changer de comportement. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on cherche, vraiment un changement de comportement, surtout axé sur les jeunes d'abord parce que ceux qui sont un peu âgés sont plus prudents. Mm-hmm. Quand vous voyez les accidents de moto, c'est souvent les jeunes. C'est jamais quelqu'un qui est âgé, il est prudent. Et les jeunes, c'est toujours leur priorité qui prime. Mm-hmm. Et il faut, il faut qu'ils comprennent que la priorité ne veut pas d'imprudence. Même mm-hmm. si vous êtes prioritaire, il faut être prudent quand même. Et la route, il faut aller avec doucement, comme on dit. <laughs> qui va doucement tombe doucement. <laughs> qui va très vite <laughs> ne peut pas tomber doucement. Voilà. Bien sûr. Amadou Oui. Relativement au respect. Oui, au respect de, des tests réglementaires. Des réglementaires. Vous savez, pour respecter les textes, il faut des sanctions. Principalement, c'est ça, c'est sur ça il faut jouer. Mhm. Il faut sanctionner. Aujourd'hui, quand ceux qui sont chargés, en tout cas le ministère de l'Intérieur, sanctionne sévèrement, conformément au texte, à l'infraction que tu as commise, à cette infraction, voici la sanction. Si les gens le font consciemment et sérieusement, il va avoir je vous assure qu'il va avoir un changement de comportement. Parce qu'on sanctionne, tu sais que quand tu fais une faute, on va te sanctionner. Mhm. Tout le monde le voit, parce que principalement nous sommes à Niamey, le, téléphone au volant est strictement interdit. Pour, vous allez voir les gens, il faut que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. En tout cas, quand tu es dans ta voiture, tu vas voir généralement les gens. Et de sur quoi maintenant, c'est WhatsApp même les gens font dans volant. voiture. Ça, c'est un facteur. Tout ça ce sont des choses que les gens font quotidiennement auxquelles il n'y a pas de sanctions. Et un principal facteur aussi, que nous, on a plaidé pour que ça soit dès à l'école primaire. Il faut enseigner aux enfants les bases. Il faut que ce soit, même si c'est un petit document qu'on va faire, c'est un module qu'on va faire pour, pour ces enfants. Parce que l'éducation joue beaucoup. Une personne bien éduquée est obligée, en tout cas dans sa conscience, il va respecter les textes. Bien sûr. vous représentez l'État et tout à l'heure, vous avez entendu Amadou Aboubakar de l'ONG Fondé qui disait que ce sont les sanctions qui manquent en cas du non-respect donc euh, des tests réglementant la circulation routière. Qu'est-ce que vous en dites Le code de la route a tout balisé. Euh, c'est pas tout le monde qui en a connaissance. Mhm. Et c'est pourquoi euh, nous avons ciblé les structures qui sont chargées de l'appliquer mhm. pour sa vulgarisation à leur niveau. Donc, je vous ai cité euh, tantôt des écoles de la police et de la gendarmerie. Mhm. parce que Parce qu'il n'est pas normal qu'un policier ou qu'un gendarme soit en activité et qu'il n'a pas de permis de conduire. Donc, euh, c'est ces défenses-là que nous avons, euh, qu'il faut chercher à corriger. Et je crois que c'est en train de se faire. Euh, au niveau de, des sanctions, si je prends par exemple la loi, mhm. la loi euh, portant code de la route de 2014, elle a prévu deux types de sanctions. Nous avons la sanction administrative, par exemple, la suspension et le retrait du permis de conduire. Mhm. Donc là, euh, euh, lorsque vous faites euh, une infraction ou bien vous faites un accident, on vous retire le permis de conduire. Mm. Et il y a une commission qui se réunit chaque semaine pour juger les délais routiers. Mm-hmm. Ça peut être un retrait provisoire, comme ça peut être un euh, retrait définitif, en fonction de la gravité de la faute. Nous avons aussi des sanctions pénales, donc qui vont de l'emprisonnement à des amendes. Donc euh, l'emprisonnement, vous pouvez aller de 10 jours à 3 ans d'emprisonnement et des amendes de 5 000 à 2 millions de francs CFA. Et quant au décret, il prévoit trois niveaux de contravention. Mhm. Donc, vous avez la contravention de la première classe de 4 000 à 10 000 francs et la contravention de deuxième classe de 5 000 à 25 000 francs et ou 5 jours de prison au plus et la contravention de troisième classe de 10 000 à 50 000 francs et ou 15 jours de prison au plus. Mhm. Voici ce qui est le dispositif qui est prévu par le code de la route au mhm. Mais euh, c'est possible de la mise en œuvre euh, de cette, euh, ces dispositions-là ça rencontre des, des problèmes. Mais je sais que le, la sanction normalement doit être le dernier recours. il faut procéder par euh, euh, la première étape qui consiste à l'information, qui consiste à la sensibilisation. Et maintenant, c'est lorsque ces deux sont épuisés qu'on peut passer au stade supérieur. Et je suis d'avis avec vous parce que euh, lorsqu'il y avait eu un renforcement du contrôle routier au niveau, par exemple, de Niamey, en ce qui concerne le port de casque et de ceinture de sécurité, nous avons constaté qu'il y a eu une baisse des accidents avec euh, euh, gravité. Mhm à gravité. Oh, il y a eu une baisse sensible à peu près de jusqu'à 11% de baisse en 2019 ou 2018. Docteur Aïla Mamadou Zakari, vous êtes euh, interpellé relativement donc au retard <laughs> constaté pour euh, secourir les victimes d'accidents de la route. Qu'est-ce qui explique donc euh, cela D'accord. Pour les accidents de la route, nous, à travers la situation même de notre bureau, on a des difficultés pour avoir accès à certaines zones. Parce que des fois, la sortie même des ambulances au sein même du SAMU est bloquée bloquée par la, la, circulation. C'est une zone où il y a beaucoup de circulation. Vous connaissez le centre-ville à côté de l'Assemblée. Mhm. Donc ça aussi, c'est un facteur. D'abord, ça, c'est un facteur. Mhm. Et puis après, une fois que l'alerte a été donnée, nous avons un temps pour prendre toutes les informations, réunir l'équipe, savoir quelle ambulance il faut, faut amener, combien de victimes il y a. Tout ça, c'est des facteurs qu'on prend en compte avant de prendre les ambulances. Mhm. Et une fois qu'on doit aller aussi, il faut vérifier que les pompiers, parce qu'il arrive qu'on vienne et que les pompiers, que ce soit des sorties nulles. Donc, il mhm. faut qu'on vérifie que nos partenaires, les pompiers, ne sont pas allés aussi. Mhm. Donc, si c'est une zone où l'accès est plus facile pour eux, autant les appeler pour leur dire d'aller. C'est pour ça que des fois, c'est comme si on a dit, vous dites que le les, les, SAMU n'est pas venu mais quand c'est une zone d'accès plus adaptée, mhm. on les appelle pour qu'ils aillent. C'est plus facile pour eux que nous, quand on sort, le temps d'arriver, par exemple, aux 100 mètres ou derrière Lazare, ça va prendre du temps alors qu'il y a une base qui est juste à côté. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Sinon, c'est la circulation de Niamey. Mhm. Logiquement, on doit intervenir dans les 5 minutes, 10 minutes maximum, amener le patient à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment un challenge. Mhm. Donc, nous lançons aussi <laughs> comment dire, un cri, un cri de cœur. Dans les autres pays développés, il y en a qui ont jusqu'à des hélicoptères pour faire mhm. ce genre de transfert rapide. Et je pense que, ou des motos pour des petites, des petites lésions, souvent dans les pays qui sont assez développés, ils ont même des motos d'intervention rapide pour aller voir plus rapidement accès aux zones pour faire les premiers soins en attendant de pouvoir transférer le malade. Il y a tout ça qu'il faut voir. Amadou Aboubakar, quel impact socio-économique les accidents de la route peuvent avoir euh, sur un pays? Ça, on a beaucoup de choses à dire sur ça. D'abord, souvent les traumatismes. Je parle directement au niveau des traumatismes. Les accidents la famille, d'abord, la famille va en pâtir. S'il arrive qu'un accident se, se, se produit, l'accidenté a eu sérieusement des lésions et de quoi comment est-ce qu'on appelle ça un traumatisme, Voilà. Mhm. Donc, euh, vous voyez quel coup ça va engendrer, que ce soit au niveau de la famille. Mhm. Souvent, il arrive même que certaines évacuations, l'État est obligé de le faire mhm. pour qu'on aille soigner la personne à l'étranger où il peut avoir des, des soins, les, les choses sont beaucoup plus adaptés. Ça, c'est un coût à ne pas ignorer. C'est mhm. beaucoup. Et s'il arrive aussi que c'est sa famille qui va le prendre en charge, imaginez dans quelle situation la famille se trouve. Souvent, tout le monde connaît la situation à, Niamey et souvent on va avoir des accidents à vie pour la personne. Tu es handicapé, même le boulot, à l'époque tu peux partir au travail, aujourd'hui tu peux pas travailler, tu peux pas partir au travail, tu as perdu ton travail, tu as fait en sorte aussi que les gens ont perdu aussi beaucoup de choses avec euh, toi pour ton entretien pour que tu sois ce que tu es. Donc ça, c'est un impact que, économique aussi que les gens doivent comprendre. Il faut beaucoup les sensibiliser mhm. aussi parce que eux, ils ne se le savent pas. Mhm. Si la personne n'est pas dans la situation, lui, il ne peut pas le savoir. Mais aujourd'hui, quand il prend sa moto ou bien sa voiture, il l'ignore. Quand ça arrive, ce que ça va faire. Voilà. Quand tu appliques euh, mhm. les choses, tu vas tout éviter. Tu peux éviter ça aussi. Bagodou Shekaro, quelles autres conséquences les accidents de la route peuvent avoir sur le pays Oui, bon, donc, euh, entre tout cas, il y a deux niveaux de conséquences. Le premier niveau, c'est par rapport à, la santé. Donc euh, ça impacte beaucoup le budget, mhm de l'État par rapport euh, à la santé, euh, non seulement en termes de consommation des produits, des soins, la production de la prise en charge, mais aussi l'occupation des lits. Mhm. Parce qu'un fracturé ou un comateux, je ne sais pas le temps qu'il met pour être libre, pour libérer le lit. Alors que par la suite, il y a d'autres malades qui attendent. ce qui fait que ça a une incidence euh, notoire au niveau de la santé publique. L'autre aspect, c'est par rapport sur le plan économique. Parce qu'il y a une étude récente de la CDAO qui a été réalisée, dans laquelle il a pareil que le Niger perd à peu près 237 milliards de francs par an. Et cela en prend en compte mhm. les coûts directs et les coûts indirects des acteurs de circulation. Par exemple, il y a une perte de productivité qui est engendrée par la mort ou la blessure. Il y a aussi la destruction du matériel mhm. et la réparation qui s'ensuit. Donc voici un peu euh, ce qu'on peut dire par rapport à cet aspect. La troisième et dernière partie du forum porte sur les mesures préventives des accidents de la route au Niger. Amadou Aboubakar, ONG Fondé Mabouria, euh, peut-on prévenir les accidents de la route au Niger Oui, bien sûr, on peut prévenir les accidents. C'est pour ça que je vous ai dit que chez nous, on dit que l'accident euh, n'est pas une fatalité. Mhm. Donc, dans la prévention, il faut beaucoup jouer sur la sensibilisation. Ça, elle est capitale, elle est très fondamentale. Et il faut former aussi. Il faut sensibiliser, il faut former. Créer des écoles de formation, bien que si on peut créer aussi des écoles de formation. Vu tout à l'heure ce que Tonton a dit, 237 milliards que nous perdons, c'est pas, énorme quand même. C'est énorme. On peut euh, réduire les choses. On peut prévenir les accidents de, de la route. Mhm. Oui, oui. Il faut beaucoup jouer sur la sensibilisation et la formation gens. Mhm. Docteur Rahila Mamadou Zakari, malgré donc euh, tous ces efforts consentis par l'État et ses partenaires, euh, le phénomène donc euh, persiste toujours. Alors, où se situe le problème ça, c'est une question qui vraiment <laughs> mérite réflexion pour tout. C'est pas à moi seulement, c'est tous les Nigériens. Mhm. Vraiment, j'interpelle tout le monde à se remettre en question par rapport aux accidents de la route. Faut pas toujours mettre la faute sur quelqu'un. C'est ce mhm. qu'on fait généralement. Il faut se remettre en nous, les parents d'abord. On peut pas prendre le risque de donner une moto à un enfant qui n'a pas de permis. Mhm. Et vu même ce qui se passe dans la circulation, nous, on a fait, on a eu l'exemple, on a donné une moto à notre enfant, mais de la manière dont moi je vis, de ces accidents-là, on a mhm. retiré la moto. On a préféré prendre un chauffeur et puis les amener à l'école. Mhm. Si on n'a pas les moyens, conduisez-les vous-même. On ne peut pas lâcher des enfants qui sont à bas âge, mhm. de laisser à eux-mêmes aller à l'école à, à, pied, alors qu'on sait que c'est une zone qui est pleine de circulation. Il faut les accompagner. Sur certains axes, il y a des, je sais pas comment on les appelle, si, c'est ça que vous appelez les pères éducateurs qui sont là, qui font attendre les enfants, qui font arrêter les voitures pour nous laisser passer et laisser passer les pitons et les... Le matin, il y a beaucoup d'axes où c'est fait. Mais généralement, au Niger, c'est quand il y a une catastrophe qu'on réagit. Dans les quartiers où les enfants jouent avec les voitures, font des drips, comment ils appellent ça, c'est quand il y a un accident grave avec beaucoup de pertes que l'État prenne des mesures pour amener des, tas de mhm. euh, gravions pour, pour empêcher aux enfants de jouer ou de faire des cascades là-bas. Mhm. C'est pareil pour les, pilules là, c'est quand il y a eu un accident grave qu'on a interdit l'accès aux enfants. Je pense qu'il ne faut pas attendre que la situation s'envenime pour agir. Mhm. Il faut beaucoup agir sur les jeunes d'abord qui sont les plus concernés parce que c'est 100% des accidents, je veux dire, qui concernent les jeunes. Donc il faut beaucoup agir sur les jeunes et c'est ce qu'on fait beaucoup de sensibilisation, les former aussi. Et il faut agir aussi, il faut aussi sensibiliser nous, les parents, pour qu'on soit plus prudents et plus euh, tolérant. tolérants. Mhm. Vraiment, il faut de la tolérance dans, dans la circulation de Niamey. Parce que tout le monde sait que quand on circule le matin, avant d'arriver au boulot, tu peux insulter plusieurs personnes parce que tout le monde est sur les nerfs. <laughs> Et c'est ça qui fait vraiment les accidents. Donc, il faut qu'on soit vraiment tolérant pour diminuer l'impact de ces accidents-là. Mhm. Et nous, on est là pour essayer de diminuer la gravité des accidents. Mhm. Vraiment à travers les actions du SAMU. C'est l'hôpital qui vient vers le patient. Donc, même quand vous voyez que une fois sur place, on se dépêche pas pour quitter le, c'est le fait de traiter. Mhm. On fait le traitement sur place. C'est l'hôpital qui vient vers le patient. Il, arrive que pour certains accidentés, on traite sur place. On, leur donne ce, qu'il faut faire, on leur fait mhm. leur, pansement et tout. Ils peuvent rentrer chez eux, n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Maintenant, l'hôpital aussi, vous voyez comment l'hôpital Niamey est surchargé. Vraiment, il faut qu'on trouve une option aussi pour les urgences de l'hôpital. Mhm. Les urgences sont vraiment restreint. Il n'y a pas assez de lits et le, le, le temps de de euh, d'hospitalisation sur les lits d'hôpitaux, c'est trop long. Mhm. En urgence, un, un, malade ne doit pas dépasser une heure de temps. Et chez nous, il peut faire jusqu'à 48 mhm. heures parce que par manque de place, parce qu'on ne peut pas l'évacuer ailleurs, il reste. Vous voyez, tout ça là, c'est des facteurs qui font que la prise en charge n'est pas ce qu'on veut. Bagoudou Shekaro, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la sécurité routière, le ministre des Transports a averti que le contrôle routier sera renforcé par l'application de l'Agence nigérienne de la sécurité routière à Niger, qui sera dotée bientôt d'une brigade de sécurité routière et qui sera équipée de radars mobiles pour neutraliser les délinquants euh, routiers. Alors, euh, si cet engagement du ministre moins où c'est concrétisé, cela peut considérablement réduire les accidents de la route. Oui, euh, c'est ça l'aspect prévention. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, la sécurité routière est à trois niveaux. Il y a celui de la prévention, celui de la réduction de la gravité et celui de, euh, des, réparations. Mm-hmm. Donc, là, il faut mettre en place un dispositif qui va un peu dissuader et c'est de ça que parlait tantôt notre jeune frère mhm. sur le contrôle routier. Mhm, mhm. Parce que le constat qui a été fait, c'est que le contrôle routier actuel n'est pas assez efficace. Et c'est une des solutions qui est en train d'être envisagée, celle de faire en sorte qu'il y ait en tout cas une brigade qui aura en charge uniquement ce problème c'est des policiers, des gendarmes qui vont être mis à la disposition de la Niger et qui vont être équipés d'un certain nombre de moyens, par exemple, de contrôle. Mhm. Le radar en fait partie. Le radar pour le contrôle de la vitesse fait partie. Il apparaît dans les PV que, eh, oui, il y a le, le, contrôle euh, de la consommation de, de, de, de, l'alcool, mhm. tout ça. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est prévu par la réglementation. Mhm. Mais on n'a pas le matériel pouvoir en juger, en mhm. apprécier. Mhm. On va vous dire que vous faites excès de vitesse, mais on peut pas, vous pouvez nier parce qu'il n'y a pas de preuve. Mhm. Hein? Mais si on vous flash et on affiche le kilométrage que vous faites, là vous n'avez plus, vous pouvez difficilement vous défendre. Hein? C'est le cas par exemple de la consommation de, de, l'alcool euh, au, volant. Vous venez, on, sent que vous puez, bon, vous êtes ivre, tout ça là. Bon, il n'y a aucune référence pour dire qu'effectivement, voici votre taux d'alcool. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et nous pensons que le ministre allemand a pris le dossier en charge. Mm-hmm. Et je crois que il est. vous savez que déjà euh, récemment, il a, autour de cette problématique de sécurité routière, il a pu réunir jusqu'à sept ministres pour échanger sur la problématique mm-hmm. de sécurité. Et c'est pour montrer l'engagement l'engagement, en tout cas politique, qui est là. Mhm. Et je pense que dès qu'il y a l'engagement politique, on pense que l'argent, les, ressources financières vont suivre. Mhm. Et c'est ça qui va permettre d'acquérir ce matériel-là pour euh, les répressions. Mhm. Merci. Alors, euh, Amadou euh, Boubacar, alors sur quoi faut-il mettre l'accent pour prévenir ou bien éviter les accidents de la D'abord, la cible. Il faut prendre la cible, les jeunes. Il faut prendre aussi les parents. Donc c'est les deux, il faut coordonner pour beaucoup prévenir les, les accidents. Mhm. Il faut que les parents puissent d'abord agir sur l'esprit des enfants, mhm. leur faire savoir qu'il faut les responsabiliser. C'est quoi les responsabiliser Il faut qu'ils sachent les, les tours et les contours d'un accident, ce que mhm. ça peut engendrer, ce que ça peut amener comme conséquence. Plus on dit les conséquences corrigent mieux que les conséquences, plus on leur parle des conséquences, plus on les amène à prendre conscience. Parce qu'il y a beaucoup, ce sont les conséquences qui les ramènent sur... C'est des enfants, vous allez les voir, l'un va faire un accident, il va rentrer dans une situation, l'autre, ça devient un conseil pour lui. Mhm. Il va prendre Voilà. Docteur Aïla Mamadou, votre conseil, vos conseils et suggestions pour une bonne sécurité routière Pour une bonne sécurité routière, comme on a dit, c'est mettre l'accent sur les jeunes les écoliers. Mhm. Et aussi, n'oubliez pas nos, nos, jeunes qui viennent du rural, mhm. ceux qui viennent travailler. Mhm. Eux, ils n'ont rien, ils connaissent pas. Ils savent pas qu'on a beaucoup d'accidents où c'est eux qu'on comprennent, les bergers là. Et même les nouveaux tricycles. Les des Non, il y a des nouveaux tricycles au Niger qui, qui transportent les matériels maintenant. Ah oui, je vois. C'est des gens qui sont tout le temps pressés et ils causent des accidents graves parce que c'est la vitesse qui amène les accidents graves. Tant qu'on arrive à réduire la vitesse, à Niamey. Dire que, par exemple, la limitation de la vitesse en agglomération, c'était à 50. Dans d'autres pays, 40, voire même 30. Il faut qu'on arrive à une réglementation à Niamey. Je vous Vos conseils et suggestions <laughs> Merci. Euh, c'est vrai que il faut agir, mais il faut avoir des cibles. Mm-hmm. Et c'est un peu la démarche que nous sommes en train de mener au niveau de la Niger. Il faut qu'on puisse euh, identifier les groupes à, risque, mm-hmm. Euh, les causes qui sont liées, qui sont en relation avec ces, ces groupes cibles. Et c'est pourquoi nous avons installé une base de données qui collecte les données sur les accidents de la route et qui fait une analyse. Et c'est cette analyse qui permet de faire un bon ciblage. L'un des groupes cibles qui apparaît, c'est les piétons. Les piétons euh, sont fortement impliqués dans les accidents de circulation. Donc euh, là, il y a beaucoup d'actions qu'il faut mener, non seulement au niveau des piétons eux-mêmes, agir aussi sur l'infrastructure routière pour notamment implanter certains passages ou ralentisseurs euh, de vitesse. Il faut donc euh, à ce niveau aussi envisager, et c'est ce qui se fait au niveau de, euh, des constructeurs, des constructeurs automobiles, un dispositif qui permette de réduire l'impact du choc avec les piétons. Nous sommes au terme du forum sur la circulation routière, comment prévenir les accidents de la route. Comme vous l'avez suivi, l'accident de la route n'est pas une fatalité, mais quelque chose qu'on peut prévenir ou éviter. Pour cela, les mauvais comportements constatés de la circulation routière doivent être bannis. Un accent particulier doit être mis sur la sensibilisation de la population, notamment chez les jeunes en vue de réduire les accidents de la route avec toutes ces conséquences socio-économiques qu'ils peuvent avoir sur les victimes et sur le pays. Nous étions en compagnie de Dr Rahila Mamadou Zakari, service d'aide médicale d'urgence SAMU, Bagoudou Shekaro, directeur de la promotion de la sécurité routière, de la prévention, de la formation et de la communication à l'agence nigérienne de la sécurité routière à et Amadou Aboubakara de l'ONG Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari à la technique Amina Hassan. Le programme continue sur le studio Calon.